le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h de 15 minutes, c'est l'heure du Forum de la presse qui a lieu tous les vendredis soirs. Le Forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec des confrères journalistes pour décortiquer l'actualité de la semaine. Si vous nous écoutez en ce moment, sachez que c'est en partie grâce à notre réseau de radios partenaires, 20 au total diffusant chacune en direct les programmes du studio dans sa zone d'implantation. Les points du Forum de la presse de ce soir, c'est l'incarcération du promoteur du journal Le Courrier Ali Soumana, le rejet de la demande de liberté provisoire pour Baba Alpha, la non-conformité avec la constitution de plusieurs articles du nouveau code électoral adopté par le Parlement, la révocation de cinq maires par décret pris en Conseil de ministres ainsi que la dissolution du Conseil municipal de Bilma. En sport, il y a d'abord les exploits d'Abdurazak Alfaga au championnat mondial de taekwondo et les préparatifs de l'élection d'un nouveau président à la FENIFOOT prévu le 16 juillet à Maradi et qui fait déjà trop de bruit. Sur le plan sécuritaire, c'est le retour des attaques à main armée sur certains axes routiers de la région d'Agadez, les attaques terroristes de Midal dans la région de Tawa, des enlèvements suivis de morts d'hommes à Ngalewa dans le département d'Ingigimi, région de Difa. Pour en discuter, nous sommes en compagnie de nos confrères Roufaï Damdoua, journaliste indépendant. Bonsoir Roufaï. Là, Suleiman Mamadou du journal en ligne Niger Inter. Bonsoir euh, Suleiman. Bonsoir. Et Sekou Berry, journaliste, chroniqueur et sportif à La Voix du Sahel. Bonsoir Sekou. Bonsoir. Merci à tous d'avoir honoré notre invitation. Nous débutons ce forum par l'interpellation jeudi 29 juin dernier à la police judiciaire du promoteur du journal Le Courrier Ali Soumana. Après quatre jours de garde à vue lundi dernier, il a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction en attendant la fin des investigations. Ali Soumana est accusé de soustraction frauduleuse d'une pièce d'un dossier judiciaire. C'est un réquisitoire du procureur publié en facsimilé dans le courrier du 29 juin 2017 relativement à l'affaire africaine qui oppose le Niger à une société dirigée par des Libanais. Le bureau du conseil d'administration de l'association de la maison de la presse à travers un communiqué de presse en date du 4 juillet 2017 s'est insurgée contre toute violation des textes régissant le métier de journaliste au Niger et elle s'est montrée inquiète des pressions et harcèlement exercés sur les journalistes dans le cadre de leur travail. De son côté, le ministère de la Communication a réagi au communiqué de la Maison de la Presse. Dans un communiqué de presse également, le ministère précise, je cite, Le journaliste Ali Soumana est poursuivi pour, complicité de soustraction des pièces de procédure et violation du secret d'instruction, toute chose selon les termes du communiqué prévu et punie puni par le Code pénal en vigueur au Niger et non couverte par l'ordonnance 2010-035 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de presse. Et hier jeudi, l'ONG internationale reporter sans frontières a publié un communiqué pour demander l'abandon des charges contre Ali Soumana tout en relevant que la loi sur la presse a été contournée par le pouvoir. Alors, euh, je m'en vais commencer avec vous, Sekouberi. Que dire de cette interpellation d'Ali Soumana, promoteur du journal Le Courrier, et les réactions que cela suscite à noter que l'ordonnance du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse euh, dit que c'est d'abord le directeur de publication qui répond en cas de, de les textes disent, mais dans la réalité, c'est Ali qui est en prison. Je pense que c'était prévisible pour lui parce que c'est vrai qu'il a été recherché. Bon, Maintenant, c'est une histoire qui vient de commencer. On ne sait pas comment ça va finir parce que on l'accuse de subtiliser, vous voyez bien, de vol, de, de, tout. Donc, pour le moment, euh, la procédure ne fait que commencer et je pense qu'il ne faut pas se hasarder à faire des commentaires par rapport à ça. Rufai Dandoua un mot par rapport à l'interpellation d'Ali eh, Soumana. C'est vrai, il faut eh, laisser la justice faire son travail du moment où l'affaire est pendante euh, devant elle. Mais toutefois, euh, je me permets de dire que ça commence à faire trop. Après Baba Alpha, aujourd'hui Ali eh, Soumana de, du courrier. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on fera toujours allusion à leur travail de, de journaliste, même s'il y a toujours des parades qui sont euh, mises en avant pour justifier leur interpellation, voire même leur incarcération. C'est le cas de Baba Alpha. Aujourd'hui, c'est le cas de Ali Soumana. Je pense que ça ne fait pas bonne presse pour le Niger, pour sa démocratie, sa jeune démocratie, puisqu'elle n'est pas encore vieille et pour les autorités de, de notre pays, surtout le président de la République qui avait, on se rappelle, signé la déclaration dite de la montagne de la table et qui a fait de la liberté de presse, de la liberté d'expression, un de ses chevaux de, de, bataille. Et je pense qu'il faut qu'on rectifie le tir. Ali était recherché, comme l'a dit Sekou, pour avoir publié ou révélé l'affaire d'Africa. Il y a aussi l'affaire, euh, c'était le même journal qui a publié la, question des 200 milliards. Justement, les 200 milliards d'uranium guette. Donc, euh, vous conviendrez bien avec moi qu'il était recherché depuis un certain temps. Maintenant, on a cherché un subterfuge pour euh, l'interpeller. On attend voir ce que la justice va dire pour vraiment se prononcer largement dans le dossier. Euh, du journal Niger Inter, l'arrestation euh, de Il faut déplorer euh, ce qui est arrivé à un confrère, parce que quel que soit Alpha, nous avons le principe sacro-saint de la confraternité qui nous oblige à être soudés pour nous protéger parce que, quel que soit Alpha, c'est la même corporation. Mais je dois relever euh, en ce moment précis une certaine euh, euh, négligence ou du moins une certaine... parce qu'en réalité, il n'y a pas longtemps, la maison de la presse avait organisé un atelier à l'occasion de cet atelier, il y avait un ancien procureur, je crois c'était M. Adama, qui avait bel et bien, et il a insisté là-dessus pour dire que faites en sorte que qu'on puisse harmoniser les textes parce qu'il dit malgré la définition aujourd'hui encore il dit il y a oh, des dispositions du code pénal qui peuvent s'appliquer sur des journalistes. Ce travail n'a pas été fait et je pense que c'est l'occasion euh, au niveau en tout cas de la maison de la au niveau de la corporation en tout cas qu'on puisse euh, euh, c'est un travail qui doit se, faire euh, donc en accord avec euh, donc, le ministère, les corporations au niveau de la presse. Donc ça, c'est un fait. Cela veut dire qu'arrêter, beaucoup de gens se disent que comment il est possible justement que cela puisse arriver avec la loi sur la On pense que plus personne en prison. Mais le procureur, elle a insisté, nous a alerté pour dire que faites attention. Jusqu'à présent, les textes ne sont pas mis à jour, c'est pas toiletté et par conséquent, c'est ce qui est arrivé. Donc, vous Donc lui, il n'a pas su faire attention. Pas lui, non, non c'est pas. Non, moi, je parle du général. Ce que j'ai dit, ceux qui savent de quoi je parle effectivement se souviendront que véritablement le débat a été fait au niveau de la maison de la presse Effectivement, l'ancien procureur, c'est de quoi Parce que c'est un ancien procureur. Il a, pour dire pour nous avertir, faites attention, faites en sorte que les dispositions du code pénal, en tout cas, qu'on puisse mettre à jour euh, donc euh, avec la nouvelle loi, que les choses soient claires. Mais maintenant, pour le reste, euh, effectivement, je pense que mes confrères l'ont dit que bon, Ali Soumar, effectivement, c'est pas <laughs> donc un ami du, régime. Par conséquent, si à l'occasion donc pour le régime c'est de bonne guerre donc de l'enfoncer. Donc euh, voyez-vous une, une, euh, une, chance pour lui de s'en sortir, de pouvoir s'en sortir sans discréditer. Euh, par principe, moi je pense que nous sommes dans un état de droit. Et un procès, comme l'a si bien dit récemment une magistrate dans une, contribution, Madame Gazibou peut la, la nommer, le procureur n'est qu'une partie du procès. C'est-à-dire que les avocats d'Ali Soumane vont effectivement venir demander au effectivement les défendre, opposer maintenant les arguments euh, de droit que véritablement avec la, nouvelle loi, il ne doit plus être en prison. Si maintenant, effectivement, il n'arrive pas à, donc, à, convaincre, là, vraiment, c'est autre chose. Mais je pense qu'en principe, euh, il n'y a pas à s'inquiéter, parce que si quelqu'un, en fait, est mis sous mandat de, dépôt, ce n'est pas forcément que c'est une condamnation. Donc il faut que se le, procès n'a pas encore. Absolument. Euh, signalons dans le même chapitre le délibéré mardi dernier au tribunal de grande instance de Niamey euh, la demande de liberté provisoire au profit du groupe de, du journaliste du groupe de presse euh, Bonferré Baba Alpha. Sa demande a une fois encore été rejetée. Le jugement sur le fond du dossier est prévu pour le 11 juillet prochain inculpé avec son père pour usage de faux roufailles. Que retenir du cas Baba Alpha finalement moi, je pense que. Moi, je n'aime pas la liberté et la liberté provisoire, sincèrement. je ne sais pas, parce que je n'ai pas été interpellé ou <laughs> arrêté. Je n'aime pas. Je veux que, que, le dossier soit euh, jugé au fond pour savoir si oui ou non la personne est fautive. Si elle n'est pas fautive, on la libère, une fois pour toutes et elle ne sera plus inquiétée. Mais lorsque tu es en, liberté provisoire, ça veut dire que à tout moment on peut euh, te rappeler. même si, même si c'est devenu monnaie courante au Niger, beaucoup de, personnes sont en liberté provisoire depuis des années et, n'ont jamais été inquiétées. Mais personnellement, je préfère que le dossier soit jugé au fond, savoir si la personne est condamné ou pas. Si elle n'est pas si elle est condamnée, maintenant on saura eh, combien de temps elle va passer en, prison et elle le fera euh, pour s'en sortir après. Si le président veut aussi gracier la personne, il le fera parce que la grâce ne peut intervenir qu'après condamnation. Alors, Sekouberi, un mot sur euh, ses confrères euh, Baba Alpha. C'est vrai que c'est pénible pour lui parce que déjà, je crois qu'il est en train de passer deux mois il est plus deux mois, une semaine déjà qu'il est en prison. je pense qu'à ce niveau, euh, il est même plus important. son père Oui, il doit, c'est-à-dire que euh, il faut rapidement, au moins, moi je pense qu'il aurait pu, dû bénéficier de cette liberté de, provisoire. provisoire. pour quand même, parce que vous savez, moi je n'ai jamais fait la prison, je ne le souhaite pas, mais on peut déjà imaginer un peu euh, ce que cela vaut, surtout quand vous avez une famille, vous avez vraiment, euh, c'est difficile. Mais je pense que euh, vraiment ça se complique pour lui parce que quand vous voyez qu'on a requalifié les faits, on a mis usage de faux maintenant et qu'on refuse sa demande de liberté, mm. ça veut dire que vraiment je, je, je, je, crains un peu pour lui quand même la condamnation. Je ne le souhaite pas. Vraiment, je, souhaite de, de, tout mon cœur, de tous mes voeux qu'il soit quand même relâché au sortir euh, de ce procès qui aura lieu le 11, n'est-ce pas Mais euh, véritablement, euh, ça se corse. Mm. Alors, deuxième. Bien. deuxième euh, aspect de, ce forum, lors de la dernière session du Conseil des ministres tenue le vendredi 30 juin dernier, le gouvernement a adopté des projets de décret portant révocation de cinq maires des communes de Gouré, Gougaram, Ingal, Gamou et Karma. À propos, nous avons sollicité l'éclairage du constitutionnaliste Amadou Boubacar que je vous propose de suivre. Sur le plan juridique, euh, cela est prévu par le Code général des collectivités territoriales, notamment à son article 63, euh, qui dit que euh, le maire ou le président du conseil régional peuvent être révoqués par décret pris en conseil du ministre sur rapport du ministre chargé de la tutelle des collectivités territoriales en cas de faute grave. Et la même loi a précisé ce qu'on entend par faute grave, entre autres, lorsqu'il s'agit de détournement des biens ou des deniers publics, des actes de faux en écriture ou euh, usage de faux euh, lorsqu'il s'agit du refus de transmettre, par exemple, les délibérations du conseil municipal à l'autorité de tutelle. Maintenant, sur le plan euh, doctrinal, cela peut être critiqué, d'autant plus que dans le cadre de la décentralisation, il n'y a pas de lien hiérarchique entre l'autorité de tutelle et le maire. Il serait souhaitable que le maire puisse être destitué d'abord par le conseil municipal avant que l'autorité de tutelle ne puisse constater la révocation du maire. Vous venez de suivre donc euh, le constitutionnaliste Amadou Boubacar. Alors, euh, là, Suleiman Mamadou du journal Niger Inter, quelle lecture vous faites de cette situation Cinq maires révoqués euh, Je ne suis pas surpris. Et si ceux qui nous écoutent se rappellent, lorsque le gouvernement avait constaté le terme du mandat des élus locaux, et le ministre de l'Intérieur avait euh, dit à l'opinion que, effectivement, désormais, ils vont, euh, en tout cas, tous ceux qui sont indélicats vont être sanctionnés. Euh, donc, je pense que c'est cette dynamique-là qui, je pense que ça, ça a tardé. Je me souviens, on a fait, on a rappelé cela, en fait, euh, on reprochait cela, en tout cas, au ministre de l'Intérieur, qu'il y a plein de choses qui se racontent de gabégie au niveau de ces mairies et, non pas, notamment par exemple le cas du, maire central de, Niamey. Euh, bref, là vraiment je pense que ce n'est que euh, chose, euh, en tout cas une demande des citoyens et on pense que véritablement cela doit continuer sans vraiment parti pris. C'est-à-dire que, euh, quel que soit le bord politique de, de quelqu'un qui est indélicat, qui a détourné les biens, les deniers publics, il faut vraiment sévir euh, contre lui. Donc je pense que c'est une très bonne chose, euh, la demande de justice et de bonne gouvernance des citoyens. On pense que enfin, euh, voilà véritablement. Sur le souci justement du, juriste qui voudrait que ce soit les, les, conseillers qui destituent le, maire, moi bon, je ne sais pas, mais lorsque je pense que avant que le ministre de l'Intérieur décide, il faut qu'il y ait en tout cas euh, peut-être euh, des informations, peut-être qu'il y a un cas flagrant, un délit en tout cas, tout, à fait, quoi. Euh, c'est un peu ça. Dans tous les cas, ce n'est plus, en fait, ils ne sont plus dans, une situation où des maires élus, quoi. Donc, c'est déjà, en tout cas, une situation d'exception. Du fait de la prorogation de leur mandat. Alors, Rufai Dandoua, c'est une bonne chose pour vous que des personnes qui sont soupçonnées, en tout cas, d'avoir commis de fautes graves des maires oui, C'est une bonne chose. Moi, ce qui m'étonne, c'est le fait que les autorités se donnent les bâtons pour se faire battre. Moi, je me rappelle, je crois, ici, j'avais parlé. Lorsqu'on avait eh, constaté eh, la fin des mandats des maires euh, élus, moi, j'aurais voulu qu'on les fasse partir à les auditants, bien sûr, pour amener des porteurs de tenue. Des administrateurs euh, porteurs de tenue pour euh, gérer ces, municipalités. Ça aurait été euh, mieux, plus crédible et ça allait encore donner plus d'objectivité dans le choix ou dans la décision que les autorités seraient appelées à prendre. Aujourd'hui qu'on laisse ces gens, ils vont se dire qu'ils n'ont aucun mandat du peuple aucun mandat du peuple. Ils ne sont pas les seuls qui, qui, qui, ont, qui ont bouffé ou qui ont, fait de la gabégie. Et Allah Suleiman l'a dit, et le cas du maire central, il y en a d'autres encore. Peut-être que si on fouille, on va trouver beaucoup de choses et on finira avant les élections eh, communales ou, ou, municipales de faire peut-être dégager la moitié de ces maires. Moi, j'aurais vraiment voulu qu'on nomme des AD porteur de tenue pour gérer ces euh, municipalités. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on constate euh, les conséquences et l'échec de la décision qui a été prise au, départ. C'est euh, de la Voie d'Israël. c'est votre point de vue Bon, c'est vrai que les mandats ont été prorogés. Peut-être que moi, moi j'étais sceptique par rapport à cela parce que vous savez, quand vous gérez une commune pendant 5 ans, je crois qu'à l'usure, finalement, vous allez certainement faire des écarts de la gestion ou autre. Je pense qu'il aurait fallu, le gouvernement avait deux solutions. Ou aller aux élections pour, pour nous élire des, nouveaux maires, ou bien carrément euh, travailler avec des administrateurs délégués. Comme c'est que. Euh, oui, tout à fait. Mais bon, moi, je ne dis pas de mettre X, Y. En tout cas, ils ont toute l'habitude de nommer <laughs> qui ils veulent. Mais, Mais c'est des administrateurs délégués en ce moment ils sont comptables. On sait que véritablement, ils ont, été, ils ont pris eh, service à partir de tel moment et c'était, c'est tellement facile de, de retrouver les en cas de, oui, de, de, mm. de, mal gouvernance ou de mal gestion. Mais on n'est ni dans cette situation ni dans l'autre situation. Finalement, le flou artistique est là et, et ne soyez pas étonnés. De toute façon, ah, ça va, c'est ça va venir chaque fois que, euh, on ne sait pas, c'est pour une délicatesse, pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ils ont été enlevés? personne ne le sait. C'est resté dans les, secrets de Dieu. Et puis bon, nous, on ne sait pas. donc, tout, le monde a constaté tout projets monde ont, été, qui ont été révoqués. Mais on ne sait pas, pas véritablement pourquoi ils ont été. Est-ce que c'est pour une malversation Est-ce que c'est politique Est-ce que. Bon, on ne comprend pas. Il aurait fallu qu'on qu le sache. oui, mais forcément c'est des maires. Savoir. Euh, c'est pourquoi on, les a fait partir. Si maintenant on va rester chez nous, dans nos, dans nos bureaux, derrière nos micros pour dire qu'on ne sait on pas, on ne le saura jamais, mm-hmm. c'est aux journalistes aussi de faire de son travail. S'il ne le fait pas, c'est son problème. Selon mes informations, euh, c'est déjà la principale euh, raison de leur révocation, c'est la gabegie, c'est la mauvaise gestion. Vous êtes et, et je, je, dois dire euh, à l'endroit de mon confrère, euh, les militaires euh, ne sont pas un modèle de bonne gestion. Ah on bah. a vu justement ce que... Ah D'ailleurs, bah. même en réalité, c'est même plus dangereux parce que on parle de demander de compte. Alors, c'est encore cela le, problème. Alors, <laughs> suppose. <laughs> un, un, autre projet, un autre projet adopté au même Conseil des ministres a porté dissolution du Conseil municipal de la commune urbaine de Bilma mardi passé. Les populations de Bilma localité située à plus de 500 km au nord-est d'Agadez, sont sortis dans les rues de la ville pour protester contre cette décision. Le maire de Bilma, Abamaru El la Lawal, que je vous propose de suivre. La population est venue dans la rue montrer face au monde que euh, la gestion que nous avons eu à faire est une gestion pour eux et qui a été euh, conçu dans le cadre de leur intérêt général conformément au Code général des collectivités territoriales. j'en suis très fier et je félicite la population de Bilma de son courage de montrer à la face du monde qu'ils sont avec nous. Après la dissolution de ce conseil municipal, quelle est la décision maintenant que vous allez prendre en tant que maire de Bilma Mes avocats vont attaquer cette décision donc devant la Cour d'État et euh, nous allons porter juridiquement et Dandoua. Euh, euh votre... Ces avocats vont attaquer. Je pense que quel qu'en soit ce que euh, la rue va dire, la rue, comme disait un ancien premier ministre français, la rue ne, ne, ne, ne dirige pas. Et comme disait un philosophe, euh, l'opinion en politique, elle ne juge pas. Vous elle, juge, mal. Maintenant, lui, il a, il a dit qu'il va, que ces avocats vont aller devant la Cour de droit pour. Je pense que c'est la meilleure solution. Euh, Elhaj Suleiman Mamadou, finalement, vous avez entendu le, maire de Bilma, qui, contrairement à ce que vous avancez, que certains, en tout cas, euh, s'ils ont été euh, dégarpés, c'est parce qu'ils... Méfions-nous de ce qu'on ce qu'on entend, il peut manipuler ses partisans pour venir de la rue pour manifester. tu vois, donc en réalité, moi je pense que ce que Baudel dit, en tout cas la bonne idée, c'est vraiment, il fallait auditer toutes ces, communes. Et les faire partir avant, ça, vraiment, au lieu de les Que le gouvernement décide vraiment de manière rigoureuse. Mhm. euh, on, on, a même dit, on a, sait arrêter que les inspections d'État sont passées euh, quelque part. Donc en réalité, c'est cela vraiment. Tout le reste, euh, ça pourrait éviter justement une, Aujourd'hui, imaginez par exemple, lui, il est en train de faire un procès. Donc, et euh, tout le monde, va faire comme lui. On va perdre du temps. Alors que. Euh, c'est Kouberi Oui, je pense que la dernière fois, le président de la République, au palais du Congrès, avait rencontré les maires, je crois, où il était même apparu Paris que il avait même demandé à certains maires, de, surtout par rapport à la gestion des stocks euh, et des. trucs de céréales à prix modéré, vente à prix modéré, là, les gens ont certainement fait des, <laughs> ont fait des gabégies. Donc le président de la revue dans son intervention, avait même demandé à ses maires justement de rembourser rapidement les montants l'État avant que l'État ne, ne, sévisse. Donc maintenant, aujourd'hui, le maire de Vilma... C'est le conseil qui a été, c'est tout le conseil qui a été. Mais eh, ce n'est pas le premier cas. Je pense que par, le passé, il y a eu également des conseils qui ont été dissous. Donc je pense que bon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Est-ce qu'on peut s'attaquer à l'État Je pense qu'il doit prendre son mal à patience et peut-être attendre les prochaines élections. Alors, un, autre, fait marquant euh, euh, de cette semaine, plusieurs articles du code électoral sont non conformes à la Constitution selon le juge constitutionnel, saisi par le Premier ministre pour contrôle de conformité à la Constitution de la loi organique portant code électoral, la Cour constitutionnelle a rendu l'arrêt numéro 003-CC MC du 30 juin 2017. Dans cet arrêt, la Cour a déclaré non conforme à la Constitution plus de 10 articles du Code électoral. Parmi les articles déclarés non conformes à la Constitution, il y a l'article 8 le problème, c'est que cet article exclut l'inscription sur la liste électorale, entre autres tous ceux qui sont condamnés par contumace. La condamnation par contumace désigne une décision de justice prononcée contre un accusé défaillant qui dispose alors du droit de faire opposition lorsqu'il se constitue prisonnier, qu'elle n'est pas une condamnation définitive qui peut le priver de son droit d'être inscrit sur la liste électorale. Alors, cette décision de la Cour constitutionnelle, un revers pour le gouvernement actuel Elage Suleiman Mahmoud du journal Niger Inter euh, Tout dépend véritablement. On a vu que lors de, ces modifications, l'opposition parlementaire a, a, vidé euh, l'hémicycle. A priori, on pourrait effectivement considérer que c'est un camouflet pour le pouvoir en place. Mais lorsqu'on se rassemble véritablement sur un certain nombre de, détails de, cette, de on ne peut que louer la Cour constitutionnelle euh, qui a été très vigilante parce que, par exemple, euh, les délais que le gouvernement avait donnés, quand on comptabilise, et la Cour a pris le soin de le faire, ça dépasse largement euh, ce que le, pouvoir avait. Parce que et en tant que technicien, donc leur façon de calculer est différente. Donc euh, cela veut dire qu'il y a une au niveau donc, des techniciens euh, du pouvoir, en tout cas ceux qui ont fait la mouture du, texte. Euh, l'article sur la, que vous, l'article 8, euh, selon mes informations, à vérifier, et les juristes, en tout cas, notamment les consulats, doivent en tout cas le, nous le confirmer ou le préciser. J'aurais appris que ce n'est pas, nouveau, c'est un ancien article donc, du Code électoral il n'est pas nouveau. Si tel est le cas, donc euh, on aimerait bien que les juristes nous, le, confirme. confirment. Mais je tiens l'information tout à l'heure. Mais le fait que, le fait, même si c'est un article euh, ancien, le fait que cet article est exclu tous ceux qui sont condamnés par contumace, c'est ça que la, Cour vise en fait. Oui, c'est ça justement que, la Cour vise. Condamné par contumace, ça veut dire que la personne a encore le droit de pouvoir se constituer. Véritablement, et pour, pour, pour, pour, être précis, nous sommes des journalistes, l'actualité fait qu'en réalité, il ne faut pas euh, mâcher les choses. C'est particulièrement par exemple Hamamour est visé en euh, tant qu'opposant euh, principal en, en, en toute apparence est-ce que tu vois et ça effectivement si maintenant ça a été intelligemment fait, c'est de bonnes guerres. Mais maintenant, le plus important pour moi, c'est que euh, véritablement, il faut louer cette cour. Et aussi, cette cour vient véritablement aussi peut-être euh, de faire amende honorable, si j'ose dire, parce qu'en réalité, jusqu'à preuve du contraire, il y, il y en a qui clament que cette cour-là, elle est aux ordres. Euh, euh, donc, euh, il faut, il faut saluer la Cour, oui, saluer la Cour constitutionnelle. Oui, c'est un revers pour le régime en place parce que la Cour a été vigilante sur un article politique, comme il l'a dit, parce que c'est très politique, excluer un homme politique, ça a été fait à dessein. La Cour a été vigilante, elle a dit que ce n'est pas conforme à, à la Constitution, elle a elle a, débouté le gouvernement, c'est le lieu aussi pour le gouvernement de faire sa, propre introspection pour se dire que les gens qui sont autour de moi, les juristes qui sont autour de moi sont en train de gaffer. Ce n'est pas la première fois. On se rappelle de cette histoire de, de où, les, juristes qui sont autour du gouvernement ont failli. Cette fois-ci, c'est ce texte aussi qui, a été euh, rejeté par euh, la Cour constitutionnelle. Ça veut dire qu'on doit se poser des questions. Un texte qui a été voté à l'Assemblée nationale 171 députés. L'Assemblée et le vote est, mécanique. C'est des gens qui ne comprennent rien à rien pour la plupart d'entre eux. Vous voulez dire euh, les députés Bien évidemment, c'est les gens qui ne comprennent rien à ces des de consignes de vote. Certains d'entre eux, peut-être. certains d'entre eux, on leur donne des consignes de vote. Mais moi, je pense que le gouvernement doit se dire qu'on a des juristes qui, ou bien ne sont pas vigilants, ou bien ne sont pas compétents comme on le pense et il faut se Ou à dessein, vous, pensez C'est ce que je dis, ou bien ne sont pas vigilants. C'est couvert. De toute façon, la Cour, vous savez que les quand ah. la Cour a un jugement, il n'y a pas de commentaire. On doit appliquer. Maintenant, je ne sais pas si le gouvernement va appliquer ou qu'est-ce qu'il va faire. Il va réattaquer ou je ne sais pas. Mais ah, je, De, recours. Donc, vous voyez bien que donc on applique <laughs> et on se tait. Alors, passons à la page sportive. En sport, l'actualité, c'est d'abord les exploits d'Alfaga euh, Abdurazak, désormais champion du monde euh, en taekwondo après avoir décroché la médaille d'or en Corée du Sud. Un accueil triomphal lui a été préservé le mercredi dernier par les autorités nigériennes, le président de la République l'a élevé au grade de commandeur de l'ordre. Alors, euh, Rufai Dandoua, je commence avec euh, toi. Un mot sur ce prodige national quand on sait que la fédération de taekwondo manque de moyens. Champion d'Afrique, champion euh, de la francophonie, vice-champion olympique, champion du monde, je pense qu'on n'a pas fait trop à Alphaga. L'accueil était une honte, je peux le dire. Pourquoi ce n'était pas à la mesure, à la hauteur Ce n'est pas à la mesure de, de l'exploit de Alphaga. Voilà un Nigérien. Nigérien, quand on parle Nigérien, on est toujours dernier en tout. Voilà un Nigérien qui aujourd'hui est champion du monde, qui aujourd'hui est numéro un de la plus grande catégorie en taekwondo une, aurait pu faire? une discipline et, euh, olympique, une discipline mondiale. Le petit champion du monde. Quand vous avez vu, moi j'étais dans le cortège, c'était incroyable. Il n'y avait presque personne dans le rue pour accueillir Alpha par les quelques voitures, sa famille et, ses proches qui étaient là. Qu'est-ce qui a expliqué cela selon vous Est-ce que la communication n'a pas passé C'était mal préparé ou bien ça a été préparé euh, tardivement. Je pense qu'aujourd'hui, Alpha pour tout ce qu'il a fait pour le Niger, il mérite plus que ce qui a été fait pour lui. Ce petit-là, euh, euh, il, est déjà euh, au, panthéon des, plus grands. C'est le seul aujourd'hui au Niger qui fait l'unanimité, opposition, majorité, majorité et moins jeunes, femme, hommes. C'est le seul au Niger. Quand tu dis Alphaga, tout le monde se tait. C'est Kouberi vous, avez trouvé euh, l'accueil réservé à, à, ou pas C'est vrai qu'on euh, euh, on est un peu déçu par le fait que même l'académie ne soit pas remplie. Véritablement, et bon, de toute façon, vous étiez dans le comité d'organisation, vous devez nous rendre Rufa compte. était Oui, il était dans le comité d'organisation, puisque c'est... <laughs> D'accord. Donc, moi, en tout cas, je l'ai vu avec un t-shirt et <laughs> je vais taire les mains, il était en tout cas, je l'ai vu. Je lui ai même demandé, il dit que est-ce que je suis organisateur. Donc, ben, c'est vrai, bon, c'était pour le châtier, <laughs> pour le, pour le Qu'est-ce qu'on aurait quand même oui, bon, euh, euh, en réalité, euh, bon, moi, je pense que c'est, il faut voir la période, le moment, véritablement, les gens cherchent à manger, Donc, les gens n'ont pas tout à fait le Vraiment, ils n'ont pas le temps pour aller vraiment occuper leur temps à accueillir Alphaga. Les gens, c'est vrai, c'est un peu difficile. Comme disent, c'est dur un peu comme caillou. Donc, les gens, au lieu d'aller vraiment accueillir Alors, faga, ils vont aller chercher à manger. Mais, mais je pense que quand même, on lui a rendu les honneurs. Les oui, le président, il est là. non, l'académie, même si c'est pas. Je, que les ne perçoivent pas et, ce que est en train de faire. Pas pour lui, hein, pour le Niger. Mais pour le, pour le Niger tout entier. Champion du monde. Hein. On est, en tout, on est dernier. Mais pour, voilà le petit qui est premier au monde. Un Nigérien premier au monde. Hein je, pense qu'il faut, il faut, il faut cogiter pour savoir ce que ça veut dire. Non, alors, ça, euh, euh, euh, ça, c'est l'intellectuel qui réagit. qui réagit. vous demandez à un paysan, vraiment, ce n'est pas sa tasse de café. Alain Suleiman, on ne va pas revenir sur les exploits, que, surtout. Je, crois que aussi, mon confrère Rufa, doit se dire qu'avec les télévisions aussi, tout le monde a, vu, à, la, télévision, il a vu le match, tout ça. Mm. Mais quand même, je pense que quelque part, les autorités ont rattrapé quand même le président de la République, ce qu'il a fait, qui parle au nom du peuple. En tout cas, il a dit des choses, euh, franchement, son speech, le geste, euh, c'est symbolique quand hein. même. Je pense que les autorités ont vraiment donné à la hauteur euh, la chose. On a vu le Premier ministre de l'autre côté dans un cadre festif. Ensuite, le président qu'il a reçu avec le geste et aussi l'annonce euh, de l'investissement. Voilà, en fait, quelqu'un, comme il l'a dit, qui justifie <laughs> sa facture, quoi. Alors, est-ce que, tu, que vous pensez que AlphaGa va inspirer des milliers de Nigériens à devenir sûr, ce je suis vu sur, sur les médias RFI ça aujourd'hui que les, le club à l'intérieur, les jeunes disent qu'il s'appelle AlphaGa. au niveau, en tout cas, du club de taekwondo, mhm. il y a beaucoup de, de nouvelles recrues, quoi. C'est ça qui... Et, eh, eh, eh, il n'est pas le seul. Et... Désormais, grâce à AlphaGa, le taekwondo va venir, en tout cas, un sport nigérien. Et il n'est pas le seul il y a d'autres aussi qui ont, combattu, qui ont gagné leur première bataille, euh, et leur premier combat, autant pour moi. C'est la preuve que Alpha voilà, et aujourd'hui, fait stimule d'autres jeunes. Alors, restons dans ce même chapitre pour parler. Ce que nous allons avancer, nous allons avancer. 20 <laughs> millions, quand même, ça va, 20 millions, c'est temps qui court. Dans ce, en 2020, aux Jeux Olympiques, je crois que, qu'est-ce que vous voulez? Alors, abordons ces sujets polémiques, euh, l'élection au niveau de la tête, à la tête de la Fédération nigérienne de football, euh, une élection qui aura lieu donc le 16 juillet prochain à Maradi. D'ores et déjà, deux candidatures ont été validées par la commission électorale. Il s'agit de celle du président sortant, le colonel Gibril Hima Pélé et celle de l'honorable Salif Mayaki. Deux autres candidatures ont été, euh, euh, ont été par contre été rejeté pour cause d'irrégularité. Je vous proposer de suivre Sissé Omar président de la commission électorale de, la FENIFOOT, qui donne les raisons de ces régies. Pour ce qui est de M. Omar Saleh, il nous a présenté un parrainage de l'association sportive ZAM. Et cette structure, par le biais de son président, dit le considérer comme nul et de nul effet un tel parrainage parce qu'eux, n'ont parrainé personne. Compte tenu de cela, nous avons considéré que nous ne pouvons pas accorder donc du crédit à ce parrainage qui est contesté. Maintenant, pour ce qui est de l'Aziz et ceux qu'il y a sept autres qui sont sur sa liste qui sont tous parrainés par Fusion FC. Alors là, c'est la lettre de parrainage qui pose problème parce que en bas, c'est écrit le président avec le cachet du SG et une signature. Donc du coup, sur cette liste, on ne sait pas qui apparaît. Alors, les deux candidats récalés ont réagi et, dans un point de presse, ils rejettent la décision de la commission électorale et demandent la réquisition de celle-ci. Je vous propose de suivre à ce sujet Omar Saleh, l'un des candidats récalés. Je voudrais inviter solennellement les autorités en charge de la gestion du sport de prendre toutes les dispositions pour que nous puissions rapidement avoir une commission électorale indépendante devant nous permettre d'organiser des élections qui ne soient pas truquées. Moi, j'étais à Dosso. La commission a été installée. Aucun ne peut aujourd'hui refuser de reconnaître son acquaintance avec le candidat sortant. Même la semaine passée, il y a un d'entre eux qui a fait un article pour insulter le candidat Salifou et éventer les mérites du candidat sortant. Comment ce monsieur peut-il se trouver dans ces structures alors, euh, je commence avec vous, euh, Sekou, Beri, Berry, lance à Un mot peut-être d'abord sur les... Parce que euh, je suis je suis membre de la commission, donc j'ai un droit de réserve par rapport à cette situation. C'est nous que les gens, c'est nous que les, candidats, <laughs> les récalés, sont en train de justement recuser. Donc si je parle ici, vous voyez, au moins permettez-moi que je, ne dise pas un mot. Alors, Rufai Dandoua, un mot sur, cette affaire. D'abord, peut-être sur les, les candidats, les mérites des deux candidats en lice. Djibril et euh, l'honorable Oui, et euh, avant de revenir sur le mérite des candidats, je pense que euh, ce qu'on a dit, et il est, on se connaît, <laughs> on est dans le milieu depuis très longtemps, on se connaît, on sait qui est qui, et on sait qui aussi a ou pas des acquaintances avec tel ou tel candidat. C'est un secret de polichinelle. Hein. Et moi, on peut dire que j'ai des acquaintances avec tel candidat, c'est vrai, si c'est prouvé. Lui, on peut le dire, c'est vrai. Maintenant, euh, faut-il ou pas, euh, faut-il qu'ils se recusent ou pas, euh, c'est à eux et en âme et conscience parce que l'article 38.2 est clair, il faut que les membres se recusent s'ils pensent avoir eux-mêmes des accointances. Ah bah. Et maintenant, c'est libre à eux. C'est libre à eux. Moi, je pense que c'est leur responsabilité. Maintenant, les deux candidats, je pense que eh, on a affaire à une opposition de style, ces deux candidats qui méritent d'être euh, candidats. Pelé, c'est le président sortant. Il a fait huit ans. Et Salif est là. Il pense qu'il peut apporter quelque chose. Je pense qu'en tant que journaliste, et eh, je suis content que pour une fois, on va aux élections avec un challenger face euh, au président sortant, même si et tout à l'heure, Sekou l'a dit en parlant des maires, et en 5 ans, il y a l'usure. Donc, quand on fait 8 ans, avec euh, il, il y aura beaucoup d'écart. C'est lui qui l'a dit, pas moi. Hein. Suleiman, a Suleiman. Euh, non, c'est Je C'est que il, avait déjà une liste. Il est candidat, il est sur une liste, au moins. Ok, <laughs> moi, ce que j'ai constaté, euh, euh, véritablement, euh, nous avons un défi en ce qui concerne notre football. je pense que le plus important, c'est qu'il ne faudrait pas bâcler ces élections. Il nous faut trouver l'homme qu'il faut, en tout cas à la hauteur de nos défis. Euh, je n'ai rien contre, euh, contre, contre, contre qui que ce soit parmi les, deux candidats, en tout cas, mais je dis que le meilleur gagne. Euh, Et vous avez confiance à la commission électorale Mais justement, je pense qu'ils ont appliqué les textes. S'ils ont appliqué les textes, les dispositions donc, réglementaires, il n'y a pas de souci. Mais moi, le plus important, ah, ce que je, je, je dis, euh, quelqu'un, euh, un internaute disait qu'il a vu les programmes de campagne des de deux candidats. Il y a personne qui parle, qui parle des limites des mandats. Je pense que j'ai constaté, autant de Himasul, il a fallu qu'il perde peut-être euh, le soutien politique pour qu'il soit débarqué je pense qu'au niveau de la fourniture, autant on le fait en politique, autant qu'il faut qu'il y ait des, limites, de, mandats. Alors, nous allons passer. Comme ça, comme ça. Il a dit qu'il limite les mandats et maintenant, bon, et Issa à a quand il a senti aussi le danger. Maintenant, Ahmed a dit qu'on va limiter, les, mandats, tout comme euh, Infantino. Je pense qu'il faut limiter, les, mandats. Il y a, de l'usure, comme l'a dit Kouberi. 18 heures passées de 54 minutes, il nous reste 6 minutes encore à passer ensemble, mais nous allons euh, donc aborder le dernier sujet, c'est euh, le sujet sécurité sur le, donc le note lundi passé l'incursion de Boko Haram contre le village de Ngalewa à 7 km au nord-est de Kablewa, bilan neuf jeunes tués hein, et une quarantaine de femmes euh, et d'enfants enlevés. Euh, attaque contre des réfugiés, enlèvement de civils, peut-on penser que Boko Haram change de stratégie, euh, Sekouberi c'est sûr qu'ils sont en train de changer de stratégie parce que ces genres de rap, on ne les connaît pas ils viennent prendre des femmes et bon, ça nous rappelle un peu, ça nous verse dans cette histoire de euh, des femmes enlevées au Nigeria, là, les femmes de comment les on Chibok, les filles de Chibok. Finalement, apparemment, c'est ce qui est en train de se faire parce que c'est sûr que après on va demander, bon, on a des prisonniers, échange, ou peut-être qu'ils vont même les marier, déjà que c'est même des femmes mariées. C'est ce qu'il faut craindre, quoi. Vraiment, c'est des voyous, euh, ces euh, gens-là. Suleiman, comment analysez-vous ces, ces, ces, actes de Boko Haram euh, Bon, mon premier élément d'analyse, c'est que les, les terroristes ont toujours agi par surprise. Ce n'est pas une guerre euh, normal euh, donc conventionnel c'est une guerre asymétrique. La zone est quand même quadrillée, non La euh, zone Non, justement, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que, vous savez, notre pays, quand on ne peut pas surveiller le, au, kilomètre carré près. Quoi. donc, c'est ça, c'est un, un, aspect. Le deuxième aspect, bien avant ça, quand j'ai vu, par exemple, les kamikazes, là, l'image très forte là, que notre confrère Actu avait, avait publiée, que je vois des, filles qui comment est-ce qu'on peut amener à travailler une femme pour l'amener à sacrifier euh, sa, vie. de cette façon. Donc moi je pense que la situation est tellement grave que euh, véritablement il faudrait que chacun et tous vraiment qu'on s'y mette, en tout cas que qu'on que la question de la sécurité là, mm. comme Alphaga, en tout cas, on fait unanimité aussi sur la question là, il n'y a pas de quartier euh, parce que quand il arrive le touriste, même à Niamey, ils peuvent venir au niveau du palais surprendre les gens, en tout cas faire un acte. Euh, donc, euh, un, autre, un, autre, sujet qui défraie la chronique ces, derniers jours, les attaques de bandits armés reprennent sur les axes routiers de la région d'Agadez. Après la semaine dernière, l'attaque d'un bus de voyageurs sur l'axe Agadez-Arlit, lundi soir, les bandits ont de nouveau attaqué, cette fois-ci sur l'axe Tawa-Agadez. Ce sont trois bus de transport de voyageurs et plusieurs minibus de, marque Toyota IAS qui ont été pris d'assaut à, l'entrée d'Agbar, Gabar, situé à 180 km d'Agadez. Comme pour la première euh, attaque, les passagers ont tous été dépouillés de leurs biens et l'un des chauffeurs, celui de la a été blessé. Alors, euh, Rufai Dandoua, quelle analyse vous inspire ces attaques à main armée dans cette euh, région d'Agadez Mm. Rapidement. Oui, et j'espère qu'on ne va pas euh, retourner à la case départ, comme on dit, pour revenir à la situation où il fallait être escorté pour voyager. C'est vrai que même pour aller à Difa encore, nous, récemment, on a été à Difa, on a été escorté de Zender jusqu'à Difa. Je pense qu'on n'en arrivera pas à, ce stade, tout comme ce qui se passe dans la région de Difa n'est pas bien. Mais moi, ce que je ne comprends pas, vraiment, peut-être que je ne suis pas spécialiste de, des questions militaires, mais je ne comprends pas ce que font les bases militaires qui n'arrivent pas à voir euh, vraiment les, les, attaques et surtout qu'on est aujourd'hui à quatre ou cinq bases militaires étrangères. Ça fait beaucoup, mais quelque part ce n'est pas efficace c'est euh, des attaques. Il a, il a touché du doigt là où ça fait mal, véritablement. La question de sécurité, à il l'ai dit, c'est vraiment, ça doit faire l'unanimité parce que, vous voyez, on est nord Tilaberi. Ensuite, on prend nord, euh, nord euh, Ça va jusqu'à Tawa. Ensuite, on est jusqu'à Agadez. Ensuite, c'est Bilma. Ensuite, c'est finalement, euh, véritablement, on est, est submergé, véritablement. Et je pense que tout le monde, tout le monde doit se mettre pour que parce que encore maintenant à Agadez, ça veut dire qu'on n'est on est, on est, on est, on plus en sécurité. On n'est plus en sécurité et c'est dangereux. Pour, parce que même vous là où vous êtes là maintenant. Nous, nous sommes dans le même studio. <laughs> Elage Suleiman, un dernier mot. Euh, le dernier mot, vraiment, sur la question de la sécurité, je dis encore une fois, il faut regarder le Niger. Euh, nous sommes un pays très très vaste. Et avec ces défis-là un peu partout, vous voyez, notre armée a des moyens limités. Donc, par conséquent, eh, il est très, très impérieux, en tout cas, à ce qu'il y ait une collaboration, en tout cas, de tout le monde. Cela justifie alors la présence militaire étrangère euh, Bon, bon en, réalité, en réalité, nous. Euh, euh, le, ministre de la Défense nous a, nous a confié véritablement que on a une capacité aérienne en tout cas qui est très très efficace, très efficace. en termes de Fin, du forum, fin du forum de ce soir, nous étions en compagnie de Rufai Dandoua, journaliste indépendant, Elaj Suleiman, euh, Mahamadou, journaliste euh, au Dini Journal, Niger Inter et Sekouberi, chroniqueur sportif à la Voix du Sahel. Bonsoir.